avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et très ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur euh, Tambra Télévision. J'ai un invité sur euh, ce plateau en la personne de Monsieur Traoré Bakari. Il est le directeur des ventes par intérim à Canal Plus euh, Niger. Donc, euh, il sera question de parler avec lui tout à l'heure sur la promotion en cours. Le temps donc euh, de revenir à vous, Monsieur Bakari. Parlons du rôle et responsabilité des étudiants à l'université dans l'exploration d'un climat de paix et de quiétude pendant la période électorale. C'est donc le thème d'une conférence euh, débat organisée par les étudiants à l'université de Niamey. C'était en présence de plusieurs organisateurs évrant dans le cadre de la promotion et la culture de la paix. Aïssa Adamou, Ibrahim Kantama, précision. Cette conférence débat organisée par la grande base de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey-Ionou e s'inscrit dans le cadre d'échanges sur la paix au Niger, surtout en cette période de processus électoral. Dans son exposé, le magistrat Bram Modou Ali, membre de la Commission nationale des droits humains, s'est apaisanti sur la particularité de la promotion de la paix, rôle que devrait jouer la jeune génération, notamment les étudiants dans tout le processus pour un développement durable. Les éléments de mise en œuvre de la violence en tant que telle c'est les jeunes qui sont forts. Comment appréhender la sécurité, la paix ou les situations de conflit Schématiquement, on l'aborde par ce qu'on appelle une technique, un outil qui est simple, la métaphore du feu. La métaphore du feu permet d'analyser tous les conflits à travers le monde. C'est quoi D'abord, vous avez des combustibles. Vous avez le bois sec, vous avez euh, du pétrole, qu'il suffirait juste d'une étincelle pour que le feu prenne. Et naturellement, dans le contexte social ou politique, ces éléments, bois sec, paille, euh, plastique, euh, feu volant, euh, pétrole, constituent ce qu'on appelle les injustices sociales. C'est cela où la violence commence. C'est cela où on commence à rompre avec la paix présent à cette conférence débat, Oumar Futa, l'un des points focaux de cet événement, est revenu sur les objectifs visés à travers cette activité. Le choix des étudiants a un double aspect. Le premier aspect, on s'est dit, à travers les étudiants, nous pouvons avoir des jeunes ambassadeurs sur lesquels nous pouvons avoir une locomotive. Ils peuvent relayer, que ce soit au sein de leur milieu ou ailleurs même, le message qui sera partagé. Et dans un autre aspect aussi, c'est un public large et varié. Nous pouvons, dans les thématiques que nous abordons dans ce projet, les amener à la qualité de l'actionnariat, qu'ils puissent actionner eux-mêmes, qu'ils puissent prendre des initiatives pour être des ambassadeurs de peace building. Donc voilà un peu les choix de cette cible. Les participants se disent très satisfaits de cette initiative. Ces genre dinitiatives là ce sont des initiatives qui sont nobles et qu'on doit pérenniser. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a un rôle important à jouer dans le cadre de ces élections-là. La question de l'élection, comme je le disais, dans le cadre de la jeunesse, c'est une question qui est particulière lorsque vous avez deux éléments de paramétrage, la pauvreté et l'ignorance. Lorsque les besoins vitaux ne sont pas satisfaits, le besoin de manger, le besoin de dormir, le besoin de sécurité, ce sont des facteurs qui font en sorte qu'on ne peut pas faire de choix rationnels. Il y a aussi l'ignorance. Lorsque vous n'avez pas le bagage nécessaire pour pouvoir faire un choix sur un candidat. C'est aussi compliqué. Lorsque vous devez faire des choix sur les affinités, sur l'ethnie, sur, sur la région, ce ne sont pas des choix qui permettent de choisir un dirigeant. La jeunesse doit comprendre qu'elle a un rôle à jouer plus que jamais. Je trouve cette initiative euh, très importante et très pertinente parce que ça permet à l'étudiant de prendre conscience de l'importance de la paix au Niger. Parce que c'est grâce à la paix qu'on arrive à venir à l'école, à apprendre. Oui, je suis convaincue de ces propos parce que je pense bien, je l'ai dit, que la paix, c'est vraiment un acquis très important qu'il faut vraiment jalousement garder. Je suis convaincue et je pense bien que nous, on a le devoir en tant que jeunes de promouvoir cette paix, de consolider cette paix aussi. Enfin, cette conférence débat va sans nul doute permettre aux étudiants de se doter des moyens efficaces pour la promotion et la culture de la paix dans le processus électoral. Du social dans cette édition, il est relatif au problème d'insalubrité du quartier Kwartagi de Niamey, une situation qui demande sans nul doute la mobilisation de tous. Reportage à Mansani, Ibrahim Kantama. Les quartiers Kouartagi 6 à l'arrondissement communal Niamédé, tous ces coins stratégiques font face à un problème d'insalubrité à la devanture de certains services publics. Une situation qui devrait interpeller les habitants des dix quartiers à travers les différents comités de vigilance mis en place par les autorités de la ville de Niamey pour mettre fin à cet ordre délibérément déversé. Ici, nous sommes à la devanture du centre des district sanitaires de Kwartegui. La situation est très alarmante. Toutes les devantures du centre sont occupées par des ordures. Elle est des besoins naturels pour les uns et les autres, aux vies et aussi de tout le monde. En effet, même si les déquilt n'a pas été épargné. Tout se dessine en face de cette mosquée de Kwartegui. Ce constat amer doit attirer l'attention des fidèles et riverains et de se rappeler de l'enseignement de notre religion, c'est la propriété. Pour Abdou Maitamboula, la ville de Niamey devrait prendre ses responsabilités face à cette question d'incivisme aussi de la ville de Niamey. sai a shi biyu uku je suna dibin salte bai yiwa shi ko iko na daga shugaban kasa da farmi ministan shi da ministan da lantarki da minisir mai kula da lahiyar jama'a Même constat au centre de formation professionnelle de Kwaratagi pour le président du comité de vigilance pour un développement durable à Kwaratagi. Au regard de ce qui se passe, l'air est à la mobilisation de tous. Il y a des stocks euh, d'ordures, des déchets, vraiment les gens venaient ici pour faire leur vision vraiment naturelle et vous n'êtes pas sans savoir à côté, à des bouchers, à des restaurations à côté. Donc, euh, euh, il y a beaucoup, beaucoup de maladies qu'on peut vraiment attraper attrapé au niveau d'ici. Donc, euh, de notre côté, vraiment, nous avons cotisé pour évacuer beaucoup de saleté entre euh, ici vraiment et les centres de formation professionnelle. Nous avons mis des latérites, mais cela, c'est comme si on avait rien fait. À l'endroit de la population, vraiment, il faut vraiment qu'ils se réjouissent vraiment à travers vraiment, comme on dit dans notre euh, religion islamique, c'est-à-dire en al a autrement dit, vraiment, la propriété fait partie de la foi. Un bon musulman, que vous savez, chrétien, musulman, vraiment, on a parlé de ça dans la Bible, on a parlé de ça dans le Coran. Vraiment, vous n'êtes pas vraiment un bon musulman si vraiment vous n'êtes pas propre et que vraiment vous n'avez pas fait. Euh, merci, notre arbre doit être vraiment propre, sain et sauf. Face à cette situation qui prévaut liée à l'insalubrité à Kouaretegui, les responsables des services d'hygiène et assainissement de la ville de Niamey devraient se mobiliser pour faire face à cette question, surtout à cette période de la recrudescence de la maladie à coronavirus dans le monde. Je le disais tantôt que j'ai un invité sur ce plateau à la personne de M. Traoré Bakari. Il est le directeur euh, des ventes par intérim à Canal Plus euh, Niger. Monsieur Traoré, bonsoir et merci d'être euh, avec nous sur ce plateau. Alors, Monsieur Bakari, vous avez lancé une super promo le 15 décembre dernier. Parlez-nous donc de cette promo encore. Ok. Bonsoir, madame. Merci de cette opportunité que vous offrez ce soir. Et merci à tous les téléspectateurs de Tamara Télévision. Canal comme vous le savez, toujours fidèle à sa mission sacerdotale de satisfaire sa masse de clientèle. Donc, c'est des moments exceptionnels chez Canal Plus. Donc, ces moments exceptionnels, ne vous faites pas raconter ces moments il faut venir vivre ces moments avec Canal+. Cette super promo, donc, nous avons de nombreux lots de surprises en destination de notre masse critique d'abonnés. De véritables lots de surprises. Comment faire pour pouvoir jouer ou pour pouvoir être éligible à cette super promo Donc, il suffit juste tout simplement de poser un acte de réabonnement ou de payer un kit Canal Plus pour que vous soyez éligible à cette super promo qui vous donne droit à de nombreux lots de surprises. Chaque semaine, un tirage. Maintenant, le prochain tirage est prévu pour le 21 de ce mois. Ce tirage aura lieu dans les enseignes de Canal Plus Niger. Donc, ça va être le cinquième tirage depuis le lancement de cette super promo. Donc, c'est nous ne sommes pas là pour vendre des vessies pour des lanternes. C'est vraiment une réalité. Le quatrième tirage a vu récompenser pratiquement les abonnés de l'ensemble du territoire nigérien. À l'exception de Dosso, pratiquement toutes les autres régions ont eu des abonnés qui ont été récompensés. Donc, pour cette super promo, les lots sont composés d'une moto Yamaha Crush CFAO d'un compte bancaire de 200 000 francs offert par Coris Bank, d'un abonnement de 6 mois à la formule Tout Canal et également d'un décodeur plus un disque dur. en plus, il y a de nombreux lots. Je dis bien de nombreux lots de nos partenaires de télécom qui sont Airtel et Zamani alors, euh, Monsieur Bakary, la promo décodeur euh, et le bonus euh, de 15 jours à tout canal plus est en cours jusqu'à quelle date Ok. Le bonus de 15 jours. Réabonnez-vous vite pour pouvoir bénéficier de 15 jours à la formule tout canal. Tout canal, j'insiste et je reviens là-dessus, il s'agit de l'intégralité de l'offre de Canal Plus où pratiquement toutes les thématiques sont représentées donc ils vont faire corps avec les différentes sensibilités. Donc cette offre de 15 jours va courir jusqu'au 31 janvier. Donc c'est le moment. Réabonnez-vous vite pour pouvoir même soutenir le maintenant, dont la sortie prochaine est prévue pour le 21. Donc en plus de pouvoir soutenir le maintenant, vous allez également avoir l'occasion de pouvoir voyager à Dessin sur les chaînes Canal Plus à volonté. Et, maintenant, comme vous avez si bien dit, le prix du décodeur en date, c'est à 16 000 francs pour pouvoir bénéficier d'un kit. Et ce kit est composé d'un décodeur HD, d'un abonnement de un mois à la formule évasion et les accessoires vous sont offerts. Donc également cette offre court jusqu'au 31 de ce mois. Et c'est le moment pour pouvoir pour ne pas perdre de vue sur les ambiances que le ménage va donner pendant, cette, pendant ce champ Coupe d'Afrique. Et quel est le super lot et comment le gagner Le super lot, et euh, comment le gagner Aujourd'hui, le super lot, comme on peut le dire, c'est la série sur le gâteau. Il s'agit là d'une voiture Toyota CFAO 0 au compteur en plus, c'est un compte bancaire de 1 million offert par Coris Bank. Une télé 55 pouces et un abonnement d'une année à la formule tout canal. Donc, il va être offert par Canal Plus, en plus des nombreux lots que j'ai cités, des Amani et de RTL. Donc, ça veut dire tous les abonnés actifs sur la période seront éligibles également à ce dernier tirage. Uh-huh. Donc, et tous ceux qui ont précédemment posé un acte seront également éligibles à cette super tombola. Uh-huh. Donc, on ne peut que souhaiter bonne chance à l'ensemble de nos abonnés. Et Canal Plus est là toujours pour pouvoir faire des heureux gagnants et pour pouvoir créer cette joie contagieuse. Canal Plus, tout change chez nous, sauf cette envie de donner plaisir à nos abonnés. Alors, euh, merci, Monsieur Bakari Traoré, pour euh, ces précisions. Je, je rappelle que vous êtes le directeur des ventes par intérim à Canal Plus Niger et restez avec nous pour la suite de cette édition. Cela dit, le téléphone portable est un outil de communication qui permet de connecter ses utilisateurs, surtout en cette ère de nouvelles technologies, malgré que certaines en abusent. Quels sont les avantages et les inconvénients Éléments de réponse dans ce reportage. Le téléphone portable est aussi un moyen de communication qui permet de converser et échanger à distance avec des personnes interposées. De nos jours, le téléphone portable n'est plus qu'un simple mode de communication, mais plutôt créer des réseaux d'échange dans ces villages planétaires, malgré qu'il est destiné à l'homme dans le but de réduire la facture et les distances. On sait par exemple qu'avec les téléphones, il n'y a plus de frontières de culture, les, les, les cultures s'entrepénètrent. Et il y a même une culture de téléphone qui s'est développée. Vous allez vous rendre compte que sur les réseaux sociaux, les gens ont développé euh, des, lieux de rencontre. Aujourd'hui, les gens se réunissent pour parler à des gens qui ne sont pas là et pendant qu'eux, ils sont là, ils ne se parlent pas. Il y a cet aspect-là. Donc, il y a une sorte de... Euh, des, rapprochements de, télécommunications tout en, tout en faisant en sorte que les gens qui sont ensemble ne communiquent pas. Il sera très facile de voir que, pour moi, je crois que c'est important à ce que les étudiants ou les scolaires puissent avoir des smartphones au XXIe siècle. Parce qu'à l'heure actuelle, il suffit d'avoir juste un téléphone portable avec sa connexion de 500 francs. Vous pouvez naviguer, surfer sur les nets avoir les documentations que vous n'espérez jamais avoir, que ce soit dans nos bibliothèques ici, au niveau des universités ou même au niveau des différents euh, établissements scolaires que nous avons. Mais cela devrait interpeller la conscience des, parents et encore la conscience des élèves parce qu'aujourd'hui l'utilisation que nous faisons, nous avons plus tendance à utiliser les téléphones plus dans le divertissement, plus dans ce qui est plus immédiat, c'est-à-dire le buzz, Qu'est-ce qui fait la une sur les réseaux sociaux En dépit de ses performances, le téléphone portable a aussi ses inconvénients. On constate que les jeunes sont en train de se détruire même à travers le portable. Parce qu'ils utilisent le portable seulement dans le but parfois et parfois à regarder des films qui ne sont pas qui ne sont pas confortables et aussi des films qui ne correspond pas à notre réalité sociologique du pays. Ces téléphones, euh, smartphones ont également un côté négatif et également nuisif pour, euh, qui contribue à la dépravation des mœurs dans notre société et particulièrement et également d'une manière générale dans nos sociétés, surtout africaines. Donc l'introduction de ces téléphones euh, smartphones en, en, Afrique ou dans nos sociétés traditionnelles euh, ont euh, effectivement euh, permis de constater beaucoup d'autres pratiques que nous ne connaissons pas ici dans nos sociétés ou même dans notre culture d'une manière générale. Le téléphone portable aussi a ses avantages dans le développement de la connaissance, notamment pour les étudiants. Cependant, Malgré ces derniers conduit certains à plagier des œuvres ou la propriété intellectuelle. Le téléphone portable facilite la recherche scientifique afin d'aboutir à des résultats positifs, d'autre part. Après les inondations des mois d'août et septembre dernier, certains quartiers de la commune 5 de Niamey font face actuellement à un nouveau type d'inondation. Il s'agit là de la crue ghanéenne du fleuve Niger. Comment se présente la situation Élément de réponse avec le studio Clarou. mais comme déjà haro na hasaro de man fatta gaban woni kaga wuro na kat kan ate ambale andi son ato siashi haboga ne hare mula da hare o ago bivet rouge kiki ayo personnellement ay huwa kan amma ay gona kini sin sire yit kangamu mais boyen ye kanga bata mara intenden ka kuno intenden kun kuni parce que haro ye ka mais kuno ba iga ba ima intervenir di godo mo aste parce que non woga tay machine su koy kambe su koy kali yi musini ga digda la situation était sous contrôle On banda de on a mais on waste on kono kadda haro ninga zanga zanga te a amaye donc on a kuraru zankai ka igo a yamar in fatta igo un im parce que haro irman dia a fi sibilillah autorité vraiment ma vraiment jusqu'ici mi windi windi ga hari wada ka ne dori man ka zama haro an ne shari hay kul kan salan ganda alman bu ko de fisin da jibi dungun ban akul gara donc wallahi ba kul kan ba ga ku bayo amma himi gur haro dana Studio de